Sénégal Plus. <laughs> Kan bàyyi ma ak loolu. parce que Cathy dafa nekk une fille boo xam ni fii papa la dafa soof bëri tiitër nekk star naa jël Cathy jaara mi ngi si biir di nelaw jaara mi ngi biir Cathy sieste. <laughs> non Cathy elle fait pas genre franchement De def genre Cathy nga parfois elle fait ci affaire yi bu mu mais def genre que tu say rek ngay <laughs> may wax rek ah, la la <laughs> une journée sans téléphone argent mun def mais téléphone grave <tsk> grave. quoi Instagram. Instagram. <laughs> non, j'adore Instagram, franchement. Tosh. J'adore Karma. Dîner. Plus généralement, rarement la pas Parfois, façon de me faire. Rose, c'est ma couleur. Non, bah, mais c'est mon couleur. Mais guis. Chanter. Tout. Je vis tout, wesh. Si vous avez un te ma le yango yaou la ñu koy Yé yëguloo fekke fent wax yu ñaaw ëmb ba mu bari lool teg ko sa di wax l'islam da koy aaye Professeur aljana non aljana laa Non na veux aljana chanteuse mais aussi actrice c'est tellement cool la musique bad boy <laughs> da rien xëbal moo tax ku lay rap moi gën a cool ay ñoom y a ñoom Canabasse Omzo Elzo non cool lol Canabasse non j'adore basse beaucoup Enfin... piano c'est beau c'est bon sans piment thé mes potes parce que guddi guddi ñoom je vous adore 8 mars journée de la femme après 9 mars c'est mon anniversaire saison 2 bah parce que les ñu war monde extraordinaire en fait saison 2 bi la un monde parce que les fait sont jeunes c'est dund saison 2 yeah salé. Virginie. on peut dire Astouche aussi, mais Virginie, en fait, je l'adore. Battle, oui, mais de mon <laughs> Genre, jouer non, mais en fait, de mon copain, en fait. Nous la gueule <laughs> non bàyyi bah, nous, nous j'aime le Nous nous j'aime le nous la la Les nous, <laughs> non ñun suñu biir nous dañ koy oh oh oh loolu ne métti je les non mais sérieux Kiné Diena no bayam Cristiano Ronaldo yeah j'adore Chris Balla Gaye <laughs> <laughs> je veux un homme jaloux non pas avec caprice merci mais le good pas de buzz buzz de my lol quoi être aimé genre da quoi koy sentir da nga xam que et puis voilà teint noir Une action tac nekkatuma jara maay feneen maay nek kenen en fait est-ce que je ko ji fi courage je préfère tourner la page hein. quand c'est mort c'est mort tac oh oh oh oh <coughs> vilain riche eu un bon sens Euh, Mafé. fait maafe laa pay wesh wesh wesh wesh wesh wesh lu Je suis ko damay rek damay nay nay rek fay série surtout Virginie ma là, je suis là. voilà série Taiki for life Taiki Taiki Taiki Taiki Taiki carrément Taiki carrément Taiki carrément Drake, wesh, Drake. Direct. Euh, perruque. Basket for life. Merci beaucoup Golden Star. Mouah. Non, j'ai moi parfum. j'ai <laughs> mon parfum. Waouh, waouh, waouh. Mais quelle là où la jël non non mënuma mënuma choisir fond, en fait damay je Leuz damay le Fatel mais bon on va dire Leuz Djinné

J'en ai même pas besoin, tu je me après match a Euh, Touche dans la vraie vie. non même dans la série ça être être sympa mais dans la vraie vie tu te dis que tu touche la caméra cool lumière team, la touch point. taf taf Yes.